Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du placement sous mandat de dépôt du ministre de la Communication Mahamadou Zada à la prison civile de Kolo. L'actualité, c'est aussi la déclaration rendue publique à Niamey le mercredi 20 avril par la coalition de l'opposition nigérienne. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la certification conformément aux standards de la journalisme Trust Initiative JTI du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle au Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir en ligne Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Mokhtar. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Abbachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abbachari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 22 avril par l'incarcération du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Mohamed Zada a été placé mardi 19 avril 2022 sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Kolo dans la région de Tilaberi à quelques kilomètres de Niamey. Depuis quelques jours, il était attendu par le parquet puis le juge d'instruction du pôle économique et financier du tribunal de grande instance hors classe de Niamey sur euh, sa gestion à la tête de la société du patrimoine des mines du Niger, euh, Sopamine. Abachari Arimi, on va commencer avec vous. Depuis mardi, le ministre de la Communication est l'hôte de la maison d'arrêt de Colo où il a été placé sous mandat euh, de dépôt à la suite de plusieurs heures d'interrogation au niveau du parquet puis du juge d'instruction du pôle économique et financier du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Est-ce une surprise pour vous, Abakari Arimi euh, Évidemment, euh, tous les Nigériens d'ailleurs semblent euh, être surpris, mais... Être surpris pourquoi Du fait de l'impunité ambiante De l'impunité ambiante, et surtout là, il s'agit d'un ministre... en exercice. En exercice, il est en fonction, ce ministre-là. C'est notre ministre. <laughs> on est concerné cette fois. Tout à fait. Hein, et donc c'est en cela que je suis, moi, euh, quelque peu surpris, mais je dirais agréablement surpris. Mais seulement agréablement surpris, surpris quand les faits seront entièrement euh, établis. Forcément, le monsieur, monsieur Zada ne doit pas être seul euh, dans l'affaire. Et donc, sinon, c'est une très bonne chose. Beaucoup qualifient d'ailleurs euh, cet acte comme étant un, fait d'armes du, président euh, Bazoum. Euh, beaucoup disent même que ce n'est jamais arrivé. Bon, c'est arrivé. On connaît que, on sait qu'avec l'affaire des, suppositions d'enfants, des suppositions d'enfants, avec l'affaire Meba, des ministres en fonction, et par rapport à des actes qu'ils ont commis étant ministres, n'est-ce pas, ont été donc amenés à l'Assemblée voilà, qui a levé leur immunité et euh, ils ont été enfermés. Mais dans tous les cas, vu tout ce qui s'est dit ces derniers temps par rapport à, l'impunité, notamment des personnes qui jouent des rôles d'autorité, des personnes euh, haut placées, comme on dit, euh, donc c'est une bonne chose. Maintenant, tout n'est pas de d'enfermer, de, se féliciter, d'enfermer les gens. il faut mettre les Nigériens dans leurs droits. C'est-à-dire euh, C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas, qui semble avoir été euh, détourné. Il y a une seule affaire dans ces 3 milliards, semble-t-il, qui se serait volatilisée comme ça. Dans un pays où 65% de la population est en dessous du seuil de la pauvreté, c'est inacceptable. 3 milliards, c'est combien d'écoles C'est combien de centres de santé C'est c'est combien de sacs de mille pour la vente à prix modéré ou pour la distribution gratuite pendant une année où on dit que le pays est extrêmement euh, exposé à la famine. On parle de 8 millions de Nigériens qui seraient menacés. Et donc, vraiment, euh, c'est des choses qui ne sauraient se faire passer sous silence. Euh, et c'est comme ça qu'il faut, par contre, agir pour tous les faits établis pour tous les faits établis, vraiment, euh, le président, c'est l'un des premiers actes d'éclat dont un président qui vient de s'installer a besoin qu'il vienne de poser. J'espère que les gens iront euh, jusqu'au bout parce que c'est jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout, euh, c'est-à-dire dans d'autres faire sortir cet argent, condamner qui il faut condamner, et tout en respectant les règles élémentaires vraiment qui se font. Ah, mais, il n'y a pas que ce dossier euh, de, la sopamine oh, Non, mais il y a plein de dossiers. Le dossier le plus populaire, je dirais que c'est le, dossier du ministère, de, la, De la Défense nationale, comme on dit MDM n'est-ce pas Mais il y a plein de dossiers. J'ai vu des personnes qui se sont euh, amusé à établir une euh, longue liste euh, d'affaires qui ne font que attendre en ce moment. Donc, euh, mais c'est une très bonne chose. La lutte contre la corruption, quand on passe à l'acte, c'est plus concret. Oh, ça, et ça, ça, motive les citoyens, ça, ça rassure, ça rassure. Oui, beaucoup sont dans des difficultés et tout, mais ce qui nous a été volé est en train d'être ramené. Ça, c'est extrêmement important. Et que ça n'arrive plus aussi, vraiment, que ça, ça va dissuader ceux qui veulent, ceux qui veulent agir. Parce que c'est quoi l'impunité, le problème de l'impunité Chacun aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent être dans la position de ces personnes-là. On sait, l'argent, tu l'as pas, si tu ne l'as pas hérité, n'est-ce pas Tu ne fais pas de commerce tu ne peux pas être mieux qu'un fonctionnaire de, de ta classe. Normalement, c'est comme ça. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'a qui que 400 000 francs de salaire, n'est-ce pas Qui peut même mettre 400 000 francs de, de carburant. Hein Mais le reste, il fait avec quoi Il construit une maison. Pour construire une maison, ce n'est pas un salaire de 500 000 qui va te le permettre. En tout cas, pas au bout de 10 ans, il faut 20 ans, 30 ans pour construire mais il y en a qui, qui te comptent les, maisons comme ça, comme si vraiment il s'agit de, chèvres. Donc tout ça, c'est vraiment bien qu'on ait les yeux grands ouverts pour qu'on serve d'exemple à ceux qui sont derrière nous. Si la ligne est bonne, on va aller euh, trouver Garé. Euh, Garé Amadou, euh, bien qu'il bénéficie du privilège de juridiction en sa qualité de ministre, l'ancien député est proche d'Albade Abouba, président du Imper Yamouria. Mohamedou Zada est écroué à la prison civile de Kolo. Avez-vous d'autres informations au sujet de cette affaire, Garé Amadou D'abord, c'est que le fait que ministre, l'ancien ministre où le ministre Ahmed soit en tout cas mis à la discussion de la justice c'est la concrétisation de, en tout cas, du discours institut du président de la République où il disait que, en tout cas, personne ne sera protégé ni par sa famille, ni par son, en tout cas, son groupe, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est une chose, ça, c'est la concrétisation de ce que le président. Mais ce n'est pas le président qui juge les gens, c'est la justice qui juge. Et aujourd'hui, à l'état actuel des choses, il faut que les gens se défendent. Ahmed bénéficie de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que le mandat d'épaule ne signifie pas que vous êtes coupable de quelque chose. C'est seul un jugement définitif qui permet de savoir que vous êtes vraiment condamné et que les choses qu'on vous reporte là, vous les avez faites. Oui, mais, oui, est-ce que c'est un... Est-ce que un signal fort euh, pour vous Non, pour moi, c'est un signal. Dans tous les cas, euh, que la personne soit en face de la justice, eh bien, la vérité sortira. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, ce que je sais de cette affaire euh, vous savez, je crois que euh, les que j'ai, c'est que la Sopamine avait commencé de 2017 à 2019 à faire des dépôts au niveau de, de Tanadi. c'est une institution de microfinance. Voilà. Et il y avait, euh, ce, dépôt-là a été précédé de contrats dûment signés par les deux parties. Et ce qui est étonnant, c'est que euh, dit a commencé à, donner, à verser des intérêts. Vous savez, quand vous dépôts, un dépôt, il y a des intérêts. Elle a versé des intérêts par rapport au dépôt qui a été fait euh, dans un compte logé à la solidarité. Ça, c'est ce qui j'ai fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé À partir de fin 2019, euh, un autre, en tout cas, partenaire de, de, a commencé à se plaindre de l'institution. Et le directeur général de la compagnie, qui est Hamad à que les choses sont en train de se gâter, il se peut que cette, euh, en tout euh, microfinance tombe en faillite. en tout cas, à craindre que les fonds de, de, famille ne disparaissent. Donc, il a pris des mesures par l'aide de son avocat pour reprendre les fonds avant que la victime ne fasse faillite. Ce qui est déjà stipulé dans le contrat signé les deux parties. Malheureusement, la famille va compacter avec surprise que Tanegi n'a pas respecté les engagements souscrits et elle a déposé une plainte le 3 novembre 2020. Je dis bien, famille a porté plainte le 3 novembre 2020. Le responsable de ça me dit, qu'il a pris, de nouveaux engagements pour pouvoir euh, rembourser, ce paiement et il n'a pas honoré euh, cet engagement. Donc, l'accord tombe de lui-même, comme le suit justement les termes de cet accord-là. Maintenant, euh, le fait, cette affaire s'est poursuivie. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que l'ancien DG de Tanedi, il a, il, a, il nié que les fonds ont été déposés au niveau de, sa, société. Pourtant, il est bien établi qu'il a payé les, on appelle les intérêts qui sont liés à ce dépôt-là. Donc, il y a un problème. Je ne sais pas ce que le, pôle financier a découvert, mais je pense que euh, euh, le procès qui va suivre va permettre aux gens de voir plus clair de cette affaire-là. Et une fois de plus, je le répète, je le dis je le répète, le mandat de dépôt ne signifie pas culpabilité. L'emprisonnement, comment on appelle ça Le mandat de dépôt signifie plus juste une mesure conservatoire. C'est le juge d'instruction qui décide de cela. Mais c'est un procès qui condamne quelqu'un. C'est un procès qui dit que vous êtes coupable. Et encore, un procès en première instance, ensuite un appel, etc. etc. Quand tout dossier est publié, et complètement, en tout cas, privé, c'est en ce moment-là qu'on va dire que bon, un tel est effectivement coupable. Vous pouvez être sur mandat de cours, après, le cours d'un procès, être libéré. J'aimerais que les gens, euh, en tout cas, intériorisent cet état de fait-là, parce que c'est comme ça que la justice fonctionne. J'ai l'impression que c'est un amalgame. Dès que vous allez au niveau, dès que vous allez au commissariat, c'est que vous avez fait quelque chose. Dès qu'on vient, on vous met des menottes, par que coupable. Non. C'est pas ça. Il faut faire très attention. Parce que là, ça risque de, de, de, de créer des situations assez désagréables. Le mandat dépôt, après, il y a le procès, et c'est le procès, c'est le juge qui condamne. Voilà. Mais ce n'est pas. Euh, euh, parce qu'un tel a été arrêté, déjà les gens vont vite en besogne. Ah oui, le coupable, il a détourné ce Non, non, non. Ça, c'est la justice qui va l'établir, Mokhtar. C'est la justice qui va établir effectivement est-ce que Hamza a détourné son milliard ou pas. Donc, les gens vraiment n'ont qu'à se calmer voilà comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est un pays où les gens ne sont pas beaucoup instruits, mais je pense que ceux qui sont instruits ne doivent pas tomber dans l'erreur. Voilà. Merci beaucoup, Gary Amadou. Revenons au studio avec euh, Maimouna Diado. L'affaire a fait grand bruit l'année dernière et la justice s'en est saisie malgré une tentative euh, de règlement à l'amiable. Euh, qu'est-ce qui n'a pas finalement marché, Maimouna Diado euh, ce qui n'a pas finalement marché, je pense que Gary vient de le dire à l'instant. C'était euh, juste qu'il y avait une mésentente entre Tanadi et Sopamine ou euh, les euh, responsables, les responsables en de fait Tanadi. de Tanadi, euh, qui pensaient que parce que en fait ce euh, que moi je, sais de cette histoire, c'est que il paraît que les 3 milliards n'ont jamais été déposés, retrouvés au niveau donc de euh, Tanadi. Donc c'est juste peut-être c'était là-bas que l'erreur est partie et ils n'arrivaient pas à s'entendre sur cette situation parce que si on dit qu'il y a 3 milliards de dépôts et qu'on ne trouve pas les traces de ces 3 milliards de dépôts. Donc, il faut les partenaires, ceux qui sont en tout cas dans, euh, au niveau donc euh, des responsables de Tanadi, ils vont jamais se comprendre sur ça. Et maintenant, euh, ce qui a lieu de faire, c'est que de laisser la justice poursuivre en fait jusqu'au bout pour pouvoir véritablement donner la preuve si oui ou non il y a eu détournement de ces fonds ou pas, où est-ce que ces fonds ont atterri. Donc je pense qu'avec le temps, on saura plus. Et, mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, Hamazada, c'est seulement une petite goutte dans le fleuve qui vient d'être euh, euh, pêchée. <laughs> Euh, Vous voulez dire qu'il y a, il y a beaucoup d'autres affaires Il y a beaucoup d'autres affaires qui traînent qui, depuis des années. Moi, je me rappelle, depuis des années, il y a des affaires comme l'affaire Meba et tout, et qui jusqu'à présent n'ont pas eu de dénouement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État du Niger, la population, les Nigériens ont le droit de savoir, de connaître où est-ce que l'argent qu'ils sont en train de collecter, l'argent qu'ils sont en train, de en euh, euh, de verser euh, dans les comptes du Niger et qui doivent revenir au profit de ces populations, où est-ce que cet argent, où se trouve cet argent Ça veut dire qu'il y a d'autres Nigériens qui prennent le malin plaisir de détourner <laughs> de l'argent du contribuable sans être inquiétés. Aujourd'hui, comme l'a dit Armi, des milliards, ça peut construire beaucoup de classes, ça peut également aider au niveau donc des centres sanitaires. Aujourd'hui, les populations veulent avoir euh, une idée de ces détournement de ces fonds parce que tout simplement, ce sont des fonds qui doivent permettre à ce que les Nigériens vivent au moins au moins dans la dignité. Oui, mais est-ce que euh, euh, cette action contre Mahmoud rassure les Nigériens Bon, je peux ne pas dire rassurer ou ne pas rassurer, mais ce qui est sûr, il y a un travail en amont qui est en train d'être fait. Et c'est déjà bon. Ça veut dire que, comme l'a dit le président, que si tu es mêlé dans une affaire, ne compte pas sur la politique, ne compte pas en tout cas sur ta famille et ni également sur ton parti politique pour te sauver de cette affaire. Aujourd'hui, l'affaire Tanadi, c'est pas parce que le ministre est ministre de euh, la communication et ministre de Jamouria qu'il ne peut pas être entendu par euh, le procureur. C'est juste que c'est une affaire qui était là avant même qu'il ne soit ministre. Donc, ça l'a rattrapé. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est vraiment d'agir très tôt et d'agir vite, parce qu'il y a beaucoup de délinquants financiers aujourd'hui qui sont là, qui sont derrière leur parti politique, qui sont derrière leur famille, qui se cachent en tout cas, et d'autres ne se cachent même pas. Il ne faut pas se voiler la face. Ils sont là avec nous. Mais euh, vraiment, le mieux, c'est d'agir. Et je pense que le président de la République est sur la bonne voie. Il faut frapper. Il faut vraiment le boulala qu'on avait entendu de par le passé au moment euh, de, l'ancien président, Il souffre Peut-être que c'est maintenant que le boulala est en train d'agir. Euh, souhaitons que ça continue et que justice soit faite. Merci, Memouna. On me servait une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Dans une déclaration rendue publique mercredi 20 avril à Niamey, la coalition de l'opposition nigérienne dénonce ce qu'elle appelle les tentatives anticonstitutionnelles visant à modifier les textes relatifs aux accords de défense sur le redéploiement de la force Barkhane et Takuba au Niger. Memouna Diado, que peut-on retenir au sujet de cette déclaration de la coalition de l'opposition nigérienne Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, l'opposition a dégagé sa position par rapport justement sur le déploiement de, de Barkhane sur le territoire nigérien. Euh, vous l'avez suivi comme moi, ils ont dit ils veulent passer, le gouvernement veut passer par euh, d'autres mécanismes pour pouvoir... Anticonstitutionnel euh, selon eux. Oui, anticonstitutionnel selon l'opposition. Mhm. Donc, pour pouvoir faire le redéploiement sans le consentement de, des Nigériens. Donc, pour euh, cette opposition, ce qui n'est pas du tout concevable, euh, c'est une opposition, c'est juste. Euh, elle est en train, en tout cas, de, faire la lutte pour que ça soit vraiment renvoyé au niveau de l'Assemblée nationale, même si c'est par un référendum, pour que toutes ces populations puissent au moins décider, parce que le Niger appartient à tout le monde. C'est pas à quelques personnes que le Niger appartient n'appartient pas à quelques personnes, à quelques, individus. Donc il faut donner la possibilité à cette population, parce que c'est cette population aujourd'hui qui est meurtrie. Donc donner la possibilité, c'est ce que l'opposition voulait dire. Et ce qui m'a encore euh, encore euh, surpris, c'est que euh, cette opposition n'a même pas fait cas, en fait, de cette défection de... de... Euh, euh, Kishinkasa. Le départ. Ou le départ de Kishinkasa. Pourtant, les Nigériens pensaient que l'opposition allait parler de cette situation de Kishinkasa qui était partie de l'autre côté. Mais l'un dans l'autre, ils ont également parlé de la situation socio-économique du pays. Et c'est très important aussi. Ils ont rappelé le nombre de personnes aujourd'hui, le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, le nombre de personnes qui aujourd'hui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc tout ceci, ils ont relaté pour montrer qu'aujourd'hui, moi, je me dis que c'est pour aller dans le sens que euh, le Niger n'a pas besoin peut-être de la création d'un autre Sénat à part l'Assemblée nationale. Mais c'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel. Donc c'est ça en fait. Gary Amadou, euh, quelle est votre opinion au sujet de cette déclaration de la coalition de l'opposition nigérienne Moi, je suis étonné du comportement de l'opposition politique parce que le processus en lui-même est un processus démocratique que, en tout cas, euh, le gouvernement se mette une question à l'Assemblée nationale, je ne vois pas en quoi est-ce que ça va être une catastrophe au point où ça nécessite une déclaration de l'opposition. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et puis la déclaration de politique générale euh, du gouvernement, ce n'est pas la déclaration de politique générale de l'opposition, c'est le gouvernement. Eh bien, le gouvernement soumet une modification, je ne vois pas en quoi que ça dérange. Ils disent que non, c'est un parlement gaudieux. Ah oui, il est gaudieux parce que l'opposition a minorité, c'est ça parce que si l'opposition était en majorité, elle ne serait pas gourdue en ce moment-là. C'est ça la lecture qu'on veut. Donc vraiment, je pense qu'on voit très bien que tente de donner un caractère antidémocratique à un processus qui, même s'il est, il est arrivé à venir du de l'Assemblée nationale concernant les bases étrangères, eh bien, ce processus-là est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est le l'opposition qui fait plainte en tout cas, euh, sous le mandat de Soufou, que le premier accord n'ait pas été soumis à l'Assemblée nationale. Et vous voyez, c'est les mêmes qui reviennent aujourd'hui nous dire que non, euh, pourquoi est-ce que le gouvernement va se mettre cette question à l'Assemblée nationale Parce que Papati, patata, ils ont plus de députés que les autres, donc ils savent que ça va être. Mais ça là, ça n'a aucun sens, c'est insensé. Vous dites une chose, vous, vous reprochez une chose. Une première fois, le gouvernement rectifie, le président Bazoum dit bon, il va soumettre cette question-là au Parlement. Non, non, c'est vous qui sortez pour dire que non, non, comment se fait-il qu'on va soumettre ça au Parlement On veut tenter de, modifier la déclaration de politique générale du gouvernement. Mais la déclaration de politique générale du gouvernement, bon elle n'est pas, pas la vôtre, elle est du gouvernement. Vous, vous êtes de l'opposition et vous devez applaudir le fait que cette question-là soit, en tout cas, euh, euh, soit en tout cas euh, prête à être soumise au Parlement. Vous devez être, en tout cas, heureux de cela. Parce que c'est ce que vous avez reproché la première fois, lorsque l'arrivée de tout français était, en tout cas, était en tout cas, comme concrétisée au niveau. Vous avez dit que non, le Parlement n'a pas été consulté. Aujourd'hui, on veut consulter le Parlement, ça encore, c'est un problème. Mais vraiment, c'est ça, c'est un comportement, c'est du n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de, de, de, de, comment on appelle ça là, de suivre le comportement ça. Je ne vois pas. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un député, comment est-ce qu'un parti politique de l'opposition chrétienne s'est targuée. en tout cas bomber le texte pour dire que il est contre le fait qu'une question d'intérêt national comme la question de l'interprétation des valeurs étrangères soit soumise au Parlement, où le débat doit avoir lieu. Ça veut dire que l'opposition ne veut même pas que le débat ait lieu au Parlement, c'est ça C'est ça que ça veut dire Mais c'est vraiment dommage. Merci Gare Amadou Abakari Arimi. Cette déclaration de l'opposition nigérienne intervient 24 heures seulement après euh, le départ euh, du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa d'Ibrahim Yakuba. même Diado l'a rappelé tout de suite de la coalition pour rejoindre la majorité au pouvoir. Est-ce un coup dur pour l'opposition Quelles seront les conséquences de ce départ Bon, écoutez, moi, l'opposition, d'ailleurs, je, suis, je les félicite pour avoir. Euh, euh, je dirais, pour cette sortie. Par rapport à, leur, déclaration Par rapport à leur déclaration euh, pour la venue euh, de, la force Takuba et Barkhane. au Niger, tout ça. Je trouve que c'est de leur ressort. Et du chou, leur rôle. Il ne faut pas vraiment condamner une opposition pour avoir fait une déclaration et dire qu'ils ne sont pas d'accord de la manière dont les choses sont en train de se passer. Et je pense même que pour une fois, ils ont au moins raison. Parce que euh, on ne peut pas euh, mettre dans la déclaration, dans la politique de déclaration, dans la déclaration de politique générale, la venue d'une force étrangère. C'est un fait exceptionnel, n'est-ce pas Mais la déclaration de politique générale n'est pas, ce n'est pas un journal. On ne met pas au fur et à mesure tout ce qui arrive. C'est un sujet qui doit être traité à part oui à l'Assemblée, mais à part. Et je pense que c'est ce qu'ils ont demandé. Et ils sont dans leur vraiment véritable droit, je dirais. Maintenant, euh, le départ de, de Kishinkasa, euh, je ne sais pas, ça se sursirait d'abord depuis euh, longtemps. C'est certainement une coïncidence. oui, ça diminue la force de, l'opposition parce que c'est quand même un parti qui a au moins sept députés, 6 députés. qui s'en va. Et déjà, l'opposition n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée, on sait. Ils sont nettement écrasés par euh, la, la, majorité. Et maintenant, la majorité se renforce avec l'arrivée de... mais ça fait partie de la vie de tous les jours d'un pays, je dirais, surtout dans notre pays où le non, Une fois encore euh, de plus, êtes-vous surpris du départ d'Ibrahim Yacouba de ah, l'opposition Non, moi, je ne suis pas surpris. Même moi, souvent, s'il part, je ne serai pas surpris. je pense que c'est vraiment possible dans notre, dans notre pays parce que les, les, les, nos politiciens ne travaillent pas en termes de de, de, politique vraiment classique. Je suis à gauche, mon parti est à gauche, je reste, quel que soit ce qui arrive à gauche, je suis à droite, mon le, le, pouvoir est à droite, je serai aussi à droite. Ce n'est pas comme ça. Vous avez vu comment ça se passe en France. On a assisté au débat des deux candidats finalistes n'est-ce pas Et déjà, dès le premier jour de la proclamation des résultats du premier tour, tout le monde s'est positionné, et pas en fonction de ces, du nombre de ministres qu'on va me donner, pas en fonction euh, de combien de, gouverneurs on va me donner, mais tout le monde, selon sa prise de position, selon son, euh, son n'est-ce pas, selon son idéologie, s'est placé. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Bon, il y en a on dirait, plein de politiciens qui n'ont aucune maîtrise de, ces, aspects-là classiques de la politique. Donc vraiment, moi, je ne suis pas surpris. Euh, je ne serais pas surpris quand il y aura un gouvernement d'union nationale, qu'il n'y aura pas d'opposition au Niger. Tout ça là, je ne serai pas surpris. Maintenant, euh, qu'est-ce que euh, le, le, MPN Kishinkasa a argué, a avancé pour partir, ils disent que non, c'est la main tendue du président auxquels ils ont répondu. Je crois qu'il y a peut-être certainement un peu plus que ça. il paraît que c'est difficile d'être euh, opposant. Nous, on n'a pas fait la politique, on est tranquille dans notre coin, mais je me rends compte que les politiciens nigériens, en dehors du politique, ils ont du mal à vivre. <laughs> Gary Amadou, est-ce le départ du MPN Kishinkasa de l'opposition pour la majorité au pouvoir est un coup dur pour l'opposition ah, c'est clair que c'est un coup dur. Vous savez, euh, déjà, l'opposition euh, en tout cas, était vraiment assez, n'était pas très, très, très. Elle était réduite à certaines expressions parce que vous savez, en tout cas, la le, en cas, le gouvernement avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Après, je veux dire, euh, comment on appelle ça là euh, Le régime en place avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'opposition qui était déjà pratiquement, je ne sais pas ce nous avons perdu euh, Gare Amadou, Mamoun Diado. Le départ du MPN Kishinkasa, est-ce euh, un coup dur euh, pour l'opposition nigérienne euh, comme l'a si bien dit mes deux autres euh, confrères, c'est un coup dur pour l'opposition parce que perdre six députés, en tout cas pour une opposition qui n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment un coup dur. Mais euh, il fallait s'attendre, il fallait s'attendre au départ de euh, Kishinkasa parce que, comme Armi l'a dit, ça se chuchotait depuis belle lurette et connaissant également l'homme, c'est pas étonnant parce que vivre les politiciens se disent que être au niveau de l'opposition, euh, c'est très difficile. Le parti, euh, le, son parti ou bien votre parti ne peut pas émerger. Il y a des choses, vraiment des calculs qu'ils font des calculs de euh, partage des ou calculs, des calculs de travail Des calculs de partage. Parce que moi, je me de positionnement et de partage. Parce que, en fait, les partis politiques, moi, je, ça me fait, des fois, quand je les regarde, ça me fait aussi rire. Hein. Parce que quand vous êtes en campagne, vous parlez, vous dites tout ce que vous voulez. Vous essayez de rassurer cette population. Mais quand il s'agit d'aller de l'autre côté, comme les gens disent, entre guillemets, la mangeoire, vous oubliez ce peuple, vous oubliez vos électeurs, vous oubliez ces gens qui ont voté pour vous, qui ont cru en vous et qui vous ont permis d'avoir les six députés. Vous les oubliez carrément et vous partez de l'autre côté. Bon, c'est une décision aussi du bureau politique. On ne peut pas aller à l'encontre donc d'une décision du bureau politique comme ils l'ont dit. Merci, Mme Yado. On une courte pause. Enfin, le dernier euh, sujet du forum de la presse euh, de ce soir est relatif à la certification du studio Kalangou au Niger. Le studio Kalangou, projet de la Fondation Hirondelle au Niger euh, depuis 2016, a reçu en mars 2022 une certification conformément au standard de la journalisme Trust Initiative JTI. Euh, ce label favorise la production d'informations selon les méthodes professionnelles et les règles d'éthique du journalisme. Dans un communiqué en date du 13 avril 2022, Reporters sans frontières RSF souligne que c'est la première certification d'un média africain à ce titre. Reporters sans frontières félicite le studio et espère que de nombreux autres médias suivront et feront la conformité avec la norme JTI. Garé Amadou, le studio Kalangou, un média de la Fondation Rondelle basé au Niger, est devenu le premier média africain certifié selon le standard de la journalisme Trust Initiative euh, JTI. Quels quel commentaire cela suscite en vous, Gare Amadou oui, quand j'ai vu la certification du Journalism Trust Initiative donnée à Studio Kalangou, j'étais très content. Non seulement en tant que, en tout cas, consultant de la, de la radio Kalangou, la radio et télévision maintenant Kalangou, mais aussi parce que euh, j'ai été témoin pratiquement des premiers pas de Kalangou jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ce qui fait que euh, le studio Kalangou a eu cette certification-là, c'est que les responsables de la Fondation iranienne ne se sont pas trompés dans le casting, dans le recrutement du personnel non seulement les responsables, mais aussi les journalistes. Ils ont su se doter, en tout cas, des journalistes compétents dans toutes les langues, qui savent faire leur travail et qui savent que le respect de l'éthique de la déontologie et des règles en matière de journalisme sont importantes dans la profession. Et je crois que c'est là, c'est ça qui a fait la différence. Et aujourd'hui, le studio occupe une place de choix dans le paysage médiatique nigérien avec, en tout cas, des informations crédibles, des informations de développement, des informations qui touchent la population dans les zones reculées, les gens arrivent à capter le studio à travers les radios partenaires. Donc, c'est sur ce travail-là, ce travail mené par, je dis, tous les responsables qui ont été à la tête de, non seulement du, studio Calamity, mais aussi de la rédaction du studio Calamity, ce sont ces responsables-là qui ont créé tout ce travail-là qui a permis d'avoir ce fil là Parce que être le premier média africain à avoir un tel moi j'ai dit chapeau. J'étais à, Bamako, j'ai visité le studio Tamani, j'ai vu comment ils travaillent aussi avec, avec lieu, mais de fait qu'il y a Okapi, on le au Congo. Il y a aussi d'autres, en tout cas, même ceux que Kalangu, euh, dans d'autres zones du, continent. Mais qu'on dit que parmi tout ce microcosme de, de, radio, n'est-ce pas, que Kalangu qui vraiment mérite cette certification-là, moi je tire mon chapeau aux responsables de Studio Kalangu. Je tire mon chapeau aux journalistes de Studio Kalangu, aux animateurs, aux, aux journalistes, etc., etc. Je dis, continuez sur cette voie-là, continuez sur ce chemin-là, et je crois que vous apporterez encore plus euh, aux au, Niger à travers vos, articles et vous permettrez vraiment au, pays de conscientiser sa population dans le cadre de son développement. Gary Amadou, est-ce que vous êtes fier d'avoir contribué à cette euh, certification Vous l'avez rappelé que vous êtes consultant. Oui, ah non, je suis très, très heureux parce que Studio Kalambou c'est ma radio. C'est mon studio, Studio Kalambou. Ça a commencé avec nous et on est heureux que après tant d'années, n'est-ce pas, euh, de labeur, de travail suivi des journalistes qui vont sur le terrain, qui vont dans les villages, parfois dans les zones de sécurité pour apporter l'information, des journalistes qui touchent tous les sujets d'actualité, tous les sujets qui touchent à la population, les problèmes, le vécu quotidien des populations. J'ai dit, donc je suis heureux d'avoir participé à ce travail-là, euh, à travers les débats que nous menons. Je suis heureux d'être en tout cas un des artisans qui ont permis à ce que, en relation avec toute l'équipe du studio Kalangou et de la Fondation Rebelle, qu'on puisse avoir cette certification-là. Merci Gary Amadou pour ce témoignage poignant. Maimouna Diado, pour le rédacteur en chef du studio Kalangou, Alassane Abdou, cette certification est une très grande portée pour euh, Kalangou euh, dans le paysage médiatique euh, du Niger et même pour l'Afrique. Selon vous, comment avancer et consolider davantage les acquis D'abord, euh, je vous félicite. Hein, je félicite le studio Kalangou, les journalistes, les animateurs pour le travail, en tout cas, que vous êtes en train euh, de faire. Euh, consolider, maintenant, vous avez une certification. Il faut essayer de consolider cette certification en faisant plus que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, ça veut dire que tout simplement, redoubler d'efforts travailler comme euh, l'a si bien dit Garé. Euh, vous êtes une radio qui est écoutée, une radio, en tout cas d'exception, si je peux le dire, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut s'en passer. nous avons à peu près environ 52 radios et 7 télévisions. Partenaires. Oh, Donc, ça veut dire que personne ne peut s'en passer aujourd'hui de, des programmes du studio Kalangu, parce que c'est des programmes diversifiés. Donc, c'est des programmes qui touchent la sensibilité, en tout cas, des populations, parce que vous allez vers ces populations. la population a besoin qu'on raconte ou bien qu'on amène son problème pour que qu'ils puissent avoir une solution. Donc vous êtes en train de le faire. Maintenant, allez-y, euh, faites plus que ce que vous avez fait pour avoir cette certification. Et je vous assure qu'avec nous-mêmes, nous, notre contribution, nos différentes contributions que nous sommes en train de faire, de mener à travers le débat, nous allons essayer d'améliorer les choses avec vous et euh, je suis sûre que ce euh, ça ne sera pas une certification une certification que vous aurez, vous aurez plus qu'une certification euh, après. Et maintenant, ce qu'il faut essayer de dire aux uns aux autres pour que les autres radios euh, puissent prendre un exemple sur vous, mais ce serait un peu difficile parce que c'est les conditions de travail en fait qui, qui ne permettent pas à ces radios-là de décoller. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de radios qui veulent faire comme le studio Kalangu, mais qui n'ont pas la possibilité. Vous, aujourd'hui, le studio Kalangu, vous avez l'équipement, vous avez tout, vous avez des, des, technologies, des équipements de technologie de dernière euh, génération, vous avez des journalistes aguerris, vous avez des animateurs qui connaissent faire leur travail. Donc, tout ceci manque au niveau donc, de certaines radios. Donc, allez-y dans ce sens, travailler et travaillons ensemble pour euh, amener le studio Kalangu très, très, très loin, plus loin que ça. Abakari Arimi, euh, la journalisme Trust Initiative GTI est une norme professionnelle internationale et qui a pour ambition de modifier les règles de jeu de l'espace digital afin de sortir de la logique de concurrence déloyale entre types de contenu et de favoriser le journalisme de qualité. Qu'est-ce qui reste à faire pour le studio Kalangu selon vous euh, Merci Mokhtar. Tout d'abord, hein, toutes mes félicitations aux responsables de la, du studio Kalangou. Et de la Fondation Hirondelle. de la Fondation Mais au-delà, euh, les 52 radios, tous les acteurs, nous tous, vraiment, on est tout de même fiers de ce qui est arrivé. Pour moi, le studio Kalangou, c'est un cas d'école, à mon avis. Euh, non seulement ça a pris un peu la fine fleur journal, des journalistes, euh, en tout cas au moins radio euh, du Niger, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui, qui sont venus ici, se sont améliorés et qui sont désormais tous prêts aussi à être reversés même dans les, dans les euh, médias nationaux et faire un travail de qualité. Cependant, c'est ce que Mamouna a dit, la question de moyens. Je, rappelle aussi que de temps en temps, euh, le studio euh, fait des formations aux techniciens, aux journalistes, aux patrons des médias. Euh, Maintenant, comme Moïmouna l'a dit, il y a beaucoup de radios, de télévisions qui veulent faire autant. Mais comment s'organiser pour disposer des mêmes ressources ou encore un, même cinq fois moins, d'autres vraiment feraient aussi quand même des miracles. ce qui fait que que aujourd'hui le, studio euh, euh Kalangu s'arrête ou continue, c'est ce, ce, que nous souhaitons vraiment. Aujourd'hui, c'est un cas d'école. Il a relevé euh, la barre, n'est-ce pas Et on voit ce que ça doit être un journalisme euh, normalement, n'est-ce pas, en matière de paiement, en matière de conditions de travail, tout a été amélioré. Ce n'est pas la même chose que ce qui se passe ailleurs dans les autres euh, radios. Et donc, vraiment, c'est de voir vers la radio Kalangu, n'est-ce pas, et de faire peut-être autant. Si mieux est possible, tant mieux. Ce qui reste euh, à faire, vraiment, c'est de continuer à aller vers les autres radios. Toutes les autres, toutes 52 radios déjà diffusent la radio. Aujourd'hui, cette télévision. Les télévisions aussi ont quelque chose à voir, que c'est ce, débat euh, qu'on fait chaque semaine, qui est qui est repris par cette télévision, mais que chacun aussi, à son niveau, peut essayer de faire. Qu'est-ce qui est mis comme condition de travail à ceux qui participent, à ceux qui réalisent. Tout ça, c'est des choses à savoir. Moi, je pense que ce n'est pas euh, honteux de voir un travail de qualité et de chercher à voir comment ça se fait. Ça, c'est un exemple que la radio et la télévision, je dirais, Kalangou, fait de qualité et que les autres doivent aussi voir. Parce que dans tous les cas aujourd'hui, la barre, elle a été mise un peu plus haute que d'habitude. Aujourd'hui, dès qu'on finit ce débat, de l'intérieur, des gens qui nous connaissent vont nous appeler. Ah, nous avons vu ta prestation, tu dois faire ça, c'est très bien, tout ça pour apprécier ce qu'on a fait. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de médias qui essaient de diffuser et qui ne dépassent même pas le quartier. Donc, c'est vraiment de l'initiative. Vraiment, c'est ça que le travail médiatique, le travail de journalistes veut. Le sens d'initiative, l'esprit d'initiative. Oui, parce que même Kalangou, du début à la fin, Aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. Beaucoup de choses ont changé. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Mais il y a un minimum de départ, c'est les moyens pour faire ce travail. Il y a un minimum que toutes les radios et télévisions doivent avoir, d'une manière ou d'une autre, mais qui ne l'ont pas. Donc vraiment, les responsables de la radio, des radios et télévisions ont, c'est la balle est dans leur camp, c'est à eux de pouvoir mobiliser le minimum pour faire travailler nos collègues vraiment dans les meilleures conditions. Gary Amadou, en dehors de la formation aux techniciens, aux journalistes et même aux promoteurs des, organes, euh, le, studio studio Kalangou appuie durablement aussi les radios partenaires en termes d'appui technique et matériel. Qu'est-ce qui reste selon vous à faire euh, au studio Kalangu, Gary Amadou je pense que ce qui reste à faire, c'est vraiment, euh, en tout cas, de toucher tout d'abord toutes les télévisions nationales. Et maintenant, la possibilité, par exemple, que ce débat-là, que par exemple, que nous faisons certaines émissions, en tout cas qui sont télévisées, puissent être en tout cas suivies sur le câble, je veux dire à l'international. C'est-à-dire que les Nigériens qui sont à l'extérieur, qu'ils puissent suivre ce débat là C'est vrai que c'est possible parce qu'il y a certaines chaînes de télévision qui sont déjà, en tout cas sur le câble, qui sont sur le satellite, mais je pense que eh, au niveau de partenariat avec d'autres télévisions étrangères pour pouvoir diffuser les émissions, je pense que c'est possible. Et il faut déjà encore faire en sorte que toutes les télé nationales et toutes les radios nationales puissent avoir un, en contrat avec le studio Colombie. Ça permettra d'avoir <clears throat> en tout cas une audience plus, plus large encore et de toucher le maximum de la population. Euh, Mamoun y a-t-il euh, des imperfections que vous avez constatées et qui méritent euh, d'être résolues <laughs> Les imperfections. Mhm. Tout de suite, là, je pense que Arémi a fait déjà <laughs> des observations. <laughs> des observations. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez d'imperfections. Il hein. n'y a pas assez d'imperfections. On dit l'être humain peut commettre des fautes, des choses, mais des erreurs. Mais c'est secondaire, c'est une seconde nature pour nous. Donc, je ne vois pas trop, je vois pas trop. C'est juste que vous encouragez euh, à améliorer dans le travail que vous êtes en train de faire. Abba ah, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Non, que vraiment euh, le site internet peut-être que euh, soit mieux connu, n'est-ce pas, suivi, n'est-ce pas, des, responsables de, de, de Kalangu pour prendre en compte euh, la remarque de Garé. Euh, comme ça, nos concitoyens et même d'autres personnes qui sont intéressées par les médias peuvent suivre euh, tout ce qui se passe sur la radio, sur en fait le studio Kalangu. Aujourd'hui, si vous prenez certaines chaînes euh, ou radios internationales, même tous les journaux, par exemple, de la semaine, vous pouvez encore retourner et suivre. Ça doit être voilà, donc, que, voilà, donc que ça soit mieux connu, que ça soit mieux connu, parce que ça couvre vraiment beaucoup l'actualité euh, du Niger et ça permet à chacun de se faire ses idées avant de penser vraiment ce qui est rapporté du, par le téléphone euh, par les citoyens ordinaires. Donc vraiment pour prendre mieux en charge le travail de qualité abattu par les journalistes, je crois qu'il faut faire connaître nettement le, le site. Et je crois que ça va changer beaucoup de choses. Merci à vous tous. Nous sommes au terme euh, du forum du studio Kalangou. Euh, merci à nos invités Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Maimouna Diado, journaliste indépendante, et Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Euh, merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios et 7 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa sur le thème Comment pallier à la déscolarisation de la jeune fille à Bandé, région de Zender Et dimanche, euh, le forum en Zarma sur le thème euh, Les enfants atteints de la trisomie 21 au Niger, quelle prise en charge euh, Merci à la technique régisson assurée par Mustafa Yuba et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.